Sangalkam aujourd'hui est meurtri. Sangalkam aujourd'hui est en état de siège, comme vous l'avez vu tous. Aujourd'hui, un privé, en l'occurrence Ibrahim Mbeng, président de la Fédération des maraîchers de la zone des qui a bénéficié d'un contrat qui est lié avec le ministère de l'Agriculture, il y a de cela 25 ans, veut s'opposer à la réalisation de ce projet-là. En l'occurrence, un stade municipal un stade municipal à hauteur d'un milliard deux cents. Le site a été identifié et devrait normalement porter, abriter le stade municipal. Nous interpellons l'État, nous interpellons la plus autorité. Pourquoi notre délibération n'a pas été encore approuvée Le sous-préfet, il sait pertinemment que c'est un terrain non immatriculé, un terrain du domaine national. Il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui veulent qui veulent que Sangalkam n'obtienne pas ce stade municipal-là. Les jeunes sont déterminés, sont engagés. Ibrahim Mbeng est persona non grata. Il exploite les chambres froides à son compte personnel. Il exploite les antennes qui sont là. Il loue à des Chinois à hauteur de 15 millions. Ibrahim Mbeng, Ibrahim Mbeng Ibrahim Mbeng est un vautour. Sangalkam n'a plus besoin de lui. Et nous réclamons son départ le plus rapidement possible. fii ñu nekk C'est la fédération Le gouvernement bi moo depuis 2001 nous avons initié di initier ay projet di financer ay dëkk di financer ay producteurs Nous avons fait biig ay maire ba Sangalkam nous avons i des di ñu président de la république. mu wax Omar Gueye nekk nañu bàyyi di ñu attaque fii contrat état moo ñu ko jox état ñu ko jox depuis 2001 ñu nekk fi waaw buy tabax buy tabax stade cent vingt millions ñun ñuy bëgg fee tabax chambre froide buy jar cinq milliards cinq milliards am na ak et demi ñun li ñuy def dañu bëgg lépp lu ñor ci ñaay bi ñu bañ di ko tuur lépp lu ñor ci ñaay bi ñu di ko fi def di ko denc fii bëgg nañu itam loolu gouvernement bi mu jàpp ñu wax Omar Gueye que mu bàyyi menace yi muy def di yebal ay nit ñuy ñëw di ñu attaqué loolu maa ngi ci gërëm gendarmerie bu dul woon ñoom biig niw man na fi am te ñoom noonu la ñu def ba Malick Ba daanu fi monte ay nit ñuy dem di xeex loolu bu ñu ko indee fii dinañ ko jëflante ak ñoom li ñu am contrat la bu nga xam ne ci jamono Abdou Diouf ci 1999 la ñu ko président Abdou Diouf jox ci nguuram contrat yaa ngeeg ñun bi nga xamante ne 2001 ñëw na président ci nguuru Ablaye Wade mu ñëw renouveler waat contrat boobu contrat indéterminé la ñun article 1 ba 12 dañ ko respecté.